nous accueillons cette décision de justice avec euh, beaucoup de joie. D'abord, c'est une décision qui, euh, qui se prévalait d'être euh, cette justice que nous avons acquis, en qui nous avons eu confiance et qui a décidé de libérer Barthélémy Diaz. C'est une décision qui, à l'entente de tous les Sénégalais, était une chose nécessaire. C'est pour clore définitivement cette, ce passage malheureux que nous déplorons, mais qui doit rappeler au Sénégalais l'état de fait dans lequel on était à cette époque-là. Aujourd'hui, nous saluons la décision du juge de libérer nos camarades Barthélémy Diaz et nous l'encourageons nous nous, à libérer nos autres camarades qui sont emprisonnés, Bamba Fall, Birakan euh, et tous les autres. Donc aujourd'hui, vraiment, euh, c'est une décision que nous saluons. Cependant, le combat n'est pas terminé. Nous avons encore des camarades qui sont emprisonnés injustement et nous invitons le juge à le libérer. Que comptez-vous faire pour les autres pour l'instant, nous allons d'abord euh, nous réunir en notre sein, euh, faire le bilan d'abord de, tout ce long procès euh, qui a, amené la levée de l'immunité parlementaire de notre, camarade, du député maire Barthélémy Diaz. ensuite, nous déciderons de la démarche à suivre. Cependant, comme je vous dis, la démarche ne change pas. Nous exigeons c'est une exigence du, du, du, du peuple sénégalais, de, de, des camarades socialistes, la libération de Bamba Fall, de Birakan et tous les autres qui sont injustement emprisonnés. Nous savons que notre maire il est innocent. Nous l'avons fait, nous l'avons président jour bi nag ñu ngi koy remercier bu baax parce que nous ba ñu moom Nous ñu ñu xol ko rek xam nañ ni amul ku koy jël diko xam nañ ni amul ku koy jël manipuler wala dara.

nekkoon nag bataay bi bataay bi nag laa ko bëgg xamal ni ko li ci kanam raw rawul bët te xam naa ne day dem man xaw ma keneen moom laa xam mais moom day dem incha allah